M. Faisal attendu ce samedi à Grand Yoff, un déplacement qui fait renaître l'espoir chez certains habitants de cette localité. Une visite qui devrait, selon eux, régler la question des inondations, celle de la sécurité, entre autres. D'autres, par contre, y voient une démarche politique qui ne servira à rien. Adjara Sissé a fait un tour à Grand Yoff. Voici son reportage. À moins de 24 heures de la visite de la première dame du Sénégal, Mariam Faisal, à la commune de Grand Yoff, ici, la communication n'est certainement pas passée. Beaucoup n'ont pas été informés de sa venue. Le fait qu'on dit qu'elle va venir, je n'y crois pas. J'étais même pas au courant. Malgré ce déficit de communication, la population de Groyov affiche de l'espoir. Leurs attentes tournent autour de deux difficultés majeures. Si elle vient pour nous aider avec la canalisation, ce serait bien, même si la période d'hivernage tire à sa fin. Mais il faut penser quand même aux années à venir. Euh, Groyov souffre encore du problème de la canalisation. Quand il pleut, est stagnée et ça ne part pas. Delta, La sécurité aussi, car vous voyez ici, il n'y a qu'une seule poste de police. À part ça, rien du tout. À part ça, le poste euh, euh, police euh, Sécurité, surtout sécurité bien. La sécurité, surtout. Déjà, nous les femmes qui devons travailler le matin, on court d'énormes risques. Vraiment, si le gouvernement peut nous aider en ce sens, ça serait mieux. La visite de la première dame dans cette localité est très appréciée par certains habitants. Pour eux, ce déplacement de Mariam Faisal est un grand pas qui pourrait solutionner beaucoup de leurs maux, même si pour d'autres, cette visite est purement politique politique, la convergence des jeunesses républicaines charge l'opposition sénégalaise. Cette dernière constitue euh, pour la Cogère l'axe du mal. Les jeunes de l'APR ont organisé un forum républicain présidé par le Premier ministre Mohamed Boun Abdelajon. Celui-ci les a appelés à l'union des forces pour réélire le président de la République pour la présidentielle de 2019. Plus de précisions avec Ibrahim Fall halte aux détracteurs du président de la République. La convergence des jeunesses républicaines se considère comme des sentinelles pour protéger le chef de l'État face aux critiques de l'opposition, rebaptisée Axe du Mal. Le Sénégal ne mérite pas cette opposition que nous appelons l'Axe du Mal. Le Sénégal mérite une opposition qui réfléchit. Le Sénégal mérite une opposition, en tout cas, qui donne des programmes, une opposition républicaine. Mais à la place d'une opposition républicaine, nous avons vu une opposition qui ne cherche qu'à dénigrer toutes les actions du président Macky Sall. Au moment où le président Macky Sall a mis en place la couverture malade universelle, les bourses de sécurité, etc., etc. Autant d'activités et de réalisations. Pour les futures échéances électorales, la COGE rassure leur leader politique. Lénine, révolution. Lénine, dans sa révolution, avait basé son émergence sur les soviets et sur l'électricité. Quant à nous, notre émergence est basée sur le PSE et évidemment sur l'électricité. Notre mission, c'est d'animer, mais aussi assurer effectivement la massification et la mobilisation autour des jeunes de l'Alliance pour la République. Nous avons compris que 70% de la population est jeune. Donc aujourd'hui, il est important de sensibiliser les jeunes sur les mécanismes et instruments qui ont été mis en place par le chef de l'État pour effectivement satisfaire la demande des jeunes. À quelques mois des élections législatives, la convergence des jeunesses républicaines annonce déjà la couleur, évitant ainsi l'opposition à plus de retenue et de responsabilité envers le président de tous les Sénégalais. Bombay. merci Amadou. jàmbaar. welcome. bis ni ci tey dugg na APR. loolu dañ koy La population sénégalaise s'est prononcée sur les interdictions de marche devenues monnaie courante au Sénégal, une démarche des autorités que certains citoyens n'ont pas manqué de fustiger euh, sur la marche de l'opposition prévue le 14 octobre prochain. Si certains sont pour, d'autres appellent à un consensus entre le pouvoir et l'opposition pour maintenir la stabilité du pays. Plus de précision avec El Haj Moussabey. Interdiction de marche au Sénégal devenue pratiquement une règle. La dernière en date est celle de la société civile qui voulait manifester contre les longues détentions préventives. Des citoyens désapprouve cette démarche de l'autorité. Si aujourd'hui les gens ont l'intention de dénoncer ce genre de choses et qu'on les interdit, donc je pense que ce n'est pas normal. L'État doit prendre ses responsabilités par rapport à ces faits. S'il y a quelque chose qui est très important, euh, on peut faire la marche. Mais il y a des choses, euh, moi je pense bien que c'est pas la peine de faire la marche. À travers ce référendum, il nous a euh, proposé 15 points dont euh, les droits de manifestation sont inscrits au sein de ces 15 points. Moi, vraiment, en tant que Sénégalais, je lance un appel au ministre de l'Intérieur vraiment de euh, comprendre ces entités-là. L'opposition compte tout marcher le 14 octobre prochain avec ou sans autorisation pour protester contre les dérives du régime. Les avis des Sénégalais sur la question divergent. Le régime actuel devait, euh, ce qu'on dit, rendre à César ce qui appartient à César. Les autres de faire leur marche, les encadrer, et puis euh, la vue continue. L'État autorise toujours la manifestation. Maintenant, si l'État n'est pas d'accord euh, que l'opposition manifeste, je pense qu'ils doivent trouver euh, un consensus. sans qu'on n'autorise pas, je pense qu'il faut respecter. Mais tant qu'on euh, compte marcher pour l'intérêt général de la République, pour l'intérêt général de tout, de, de Sénégalais, qu'on le laisse marcher. La marche, un droit institué dans la constitution sénégalaise. Ainsi, ces citoyens optent pour un consensus entre le gouvernement et l'opposition, tendant au renforcement de la démocratie du pays. Quelle solution face à la crise qui secoue le système éducatif sénégalais Le Haut Conseil du dialogue social et les acteurs de l'éducation en atelier pour apporter des réponses concrètes pour une année scolaire apaisée. Les syndicalistes sont formels. L'État doit matérialiser les accords signés en juillet 2014. La patronne du Haut Conseil du dialogue social s'engage à tout mettre en œuvre pour arriver à un consensus entre ces acteurs. La correspondance de Mamadou Diop de perturbations dans le système éducatif dues essentiellement au grève répétitives des enseignants doivent être définitivement réglées. Et pour en arriver, une session pré-rentrée scolaire réunissant différents acteurs de l'école sénégalaise est organisée à Sali Portugal. Comme on dit, lorsqu'une crise est profonde, pour euh, l'éradiquer, pour faire en sorte qu'on ne retombe plus dans, ce, dans, dans, dans ces troubles, il faut une méthode à la fois préventive et curative. Je pense que c'est un signal. Un signal à l'endroit du peuple sénégalais. Un signal à l'endroit du gouvernement et un signal à l'endroit des syndicats. Pour dire plus jamais ça. Nous devons nous concerter, nous parler. Du côté des syndicalistes, une seule condition, le respect du protocole d'accord signé en 2014 entre le gouvernement et les enseignants. Cette session doit s'inscrire dans une logique de rupture rupture en ce sens qu'il faut aujourd'hui des actes concrets. On a discuté, on a négocié, le président nous a reçus, on a signé. Qu'est-ce qui reste C'est l'application. Mais pour le ministre du Travail et des organisations professionnelles, chacun des deux partis doit travailler pour qu'une issue favorable puisse être trouvée à la fin de la rencontre. Et Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'évaluation et l'évaluation nous montrera qu'est-ce que nous avons réalisé comme acquis, qu'est-ce que nous avons comme difficulté, et comment on devrait renforcer la synergie et les initiatives pour tirer profit de ces nouvelles opportunités qui feront que notre année scolaire au Sénégal puisse se tenir dans les conditions apaisées. L'objectif général de la rencontre de Sali Portugal est d'amener les acteurs à s'accorder sur des mesures consensuelles pour le respect de tous les engagements pris afin de garantir la stabilité de l'année scolaire 2016-2017. La couverture maladie universelle et les bourses de sécurité familiale ne sont pas effectives sur l'étendue euh, du territoire national. C'est ce qui ressort en tout cas du rapport de l'Institut panafricain euh, pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement euh, SICODEV. L'enquête menée sur 10 localités du pays de juillet à août 2016 montre que beaucoup de ménages ne parviennent pas à bénéficier de ces politiques sociales initiées par le gouvernement du Sénégal. Les précisions de Louis dans le cadre de sa campagne pérennisant la couverture maladie universelle, la SICODEV a mis en place des observatoires de la CMU dans 10 localités du pays, dans l'objectif de tâter l'appropriation de la CMU par les populations. Après plusieurs mois d'enquête, la SICODEV note des manquements. Il s'était agi pour nous de faire l'observation dans les différentes communes et nous avons pu couvrir 17 communes, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale il se trouve que la majeure partie des communes n'ont pas encore pu prendre en charge de manière effective les ménages bénéficiaires des bourses de sécurité familiale. Cet atelier est également l'occasion pour la CICODEV de poser des recommandations sur la question. Nos recommandations, nous en avons. Nous en avons et la première, c'est de dire évidemment au gouvernement, pour assurer la cohérence politique de ces deux politiques de protection sociale, il faut que vous puissiez mettre en place et à temps la subvention ciblée. La deuxième s'adresse à l'agence de la CMU où nous le disons, vous avez envoyé une note, vous avez formulé, élaboré une note à l'attention des mutuelles pour leur demander d'impliquer les adhérents dans les instances décisionnelles des mutuelles. Il faut que l'agence puisse aller sur le terrain et faire une enquête pour voir l'effectivité de la mise en œuvre de cette note ailleurs, l'adoption d'une loi pour institutionnaliser la CMU est une urgence à en croire au directeur de la CICODEF Afrique. Nous avons estimé que c'est un candidat aux élections en 2012 qui avait dit si jamais je suis élu président de la République, je mettrai en œuvre un mécanisme qui permettra à 80% de la population de ce pays de se soigner si elle tombe malade. Je vais mettre en place un mécanisme qui va les couvrir contre les risques maladie. Mais s'il n'y a pas de loi, vous n'avez pas de droit. C'est la loi qui institue le droit. Et une fois que vous avez une loi sur la CMI, c'est opposable à l'État. Vous êtes à mesure de vous mettre devant le building administratif et de dire c'est un droit. J'y ai droit, je veux que ça puisse pour rappel, le Sénégal ambitionne de faire bénéficier de la couverture maladie universelle à au moins 75% de sa population, et cela d'ici 2017. Le ministre de la Justice, Maître Sidi Kikaba, a procédé ce jeudi à l'installation de la Cour d'appel de Ziguinchor, une cour attendue depuis les indépendances par les citoyens qui perdaient souvent leur droit de recourir à cette juridiction de seconde instance faute de moyens. Euh, suivant les explications du garde des Sceaux au micro de notre reporter. Imaginez que les ressortissants, les justiciables de Sédou, la région de Sédou, la région de Kolda, la région de Ziganchor, devrait faire des centaines de kilomètres pour rejoindre Dakar, qui était compétent pour juger en appel les affaires sur lesquelles il n'était pas d'accord. Et beaucoup renonçaient ainsi alors à l'appel. Et c'était un sentiment de frustration. Donc nous sommes dans l'action euh, pour essayer de traduire en acte chaque jour euh, cette vision de modernisation de la justice voulue par le président de la République pour que le plus grand nombre de Sénégalais puissent avoir accès à la justice, avoir une juridiction proche d'eux, donc moins coûteuse, et parce que cela leur permet de venir directement devant le juge. L'installation de la Cour d'appel de Ziguinchor a été une occasion pour le ministre de la Justice de revenir sur les mesures prises pour régler le problème de la surpopulation dans les prisons du Sénégal. Il a ainsi annoncé la réforme urgente du Code pénal et du Code de procédure pénale. Suivons toujours ses explications. Une des actions les plus importantes est pour la lutte contre la surpopulation carcérale c'est la substitution à toute peine d'une durée inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement en travail au bénéfice de la société, ce qui peut permettre ainsi d'éviter que des personnes n'aillent pas systématiquement en prison. Je voudrais également dire que parmi les acteurs de la justice, il a été aussi acté l'institution de privilège de juridiction pour les greffiers, les greffiers en chef et les administrateurs de greffe similaires à celui dont bénéficient les officiers de police judiciaire. L'introduction dans la loi sénégalaise, dans le code pénal et le code de procédure pénale, la directive de l'UOMA qui permet la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, je puis vous dire que ce texte a été adopté hier en Conseil des ministres il sera défendu à l'Assemblée nationale. Et je pense que sur ce plan, ce n'est que justice. Instituer dorénavant des audiences permanentes des chambres criminelles à la place de la tenue des sessions. Donc, je pense que cela va participer à amoindrir les longues détentions et à permettre une justice beaucoup plus rapide, mais en tout cas une justice qui sera rendue dans les délais beaucoup plus... Amour, les mandingues demandent au préfet de lever l'interdiction de sortir du concourant. courant. Les responsables de la collectivité ont rencontré l'autorité préfectorale, mais la seule condition exigée par Sayer Ndao est de garantir la sécurité des personnes et des biens euh, les jours de sortie du camp courant. Cherhou Daba est le secrétaire général de la collectivité mandingue. Il est ici au micro de Mamadou Diop. Bah, c'est nous qui avions demandé à rencontrer le préfet, Sayendao. Nous lui avons demandé de lever la mesure d'interdiction de sortie du Cancoura. Nous en avons discuté pendant 4 heures d'horloge. Finalement, il nous a donné son accord de principe. Il faudrait qu'agrément la Côte du Manding lui donne des garanties quant à la sécurité des personnes et des biens. Mais ce que nous demandons à nos services, c'est de se calmer, d'organiser le temps dans la paix, dans le calme, de ne pas s'attaquer aux gens, de ne pas casser des, véhicules, de ne pas jeter des cailloux dans les maisons d'autrui, de ne pas briser des chaises. Un seul peut suivre son concurrent toute la sans casser une chaise. Pourquoi casser les chaises des gens Ça n'a pas de sens. Pourquoi briser des, des pare-brises Ça n'a pas de sens. Non, non, non, ça, il n'est même pas question. Ils le savent. On leur avait dit, n'y allez pas, n'allez pas chez Cissé, n'y allez pas. Ils l'ont fait, mais ils n'ont pas vu Cissé. Ils, ont rencontré les GMI qui étaient là en cordon sécuritaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Ils n'iront plus là-bas. J'en ai la certitude. Ils n'ont aucun intérêt à y aller. Les gens sont, en train de régler un problème. Il faut qu'ils nous laissent le temps de le régler. Ce n'est pas la force qui règle les problèmes. Le préfet, il va nous donner un accord définitif pour lever cette, euh, cette interdiction. C'est entre jeudi, demain et vendredi. La culture chinoise était à l'honneur au grand théâtre. Chants, danses et autres festivités ont rythmé les lieux. Cette manifestation organisée par l'Institut Confucius ambitionne d'enseigner la culture et la langue chinoise à l'université Cher Diop de Dakar. L'Institut se charge de mieux enseigner les valeurs chinoises. Ababakar Sadir Top. Confucius est une idéologie, une doctrine philosophique, mais surtout le reflet de la culture chinoise. Aujourd'hui, il est perçu comme une école. À l'université Cheikh Anta l'Institut Confucius dispense des cours de langue et de la culture chinoise. La vocation première de l'Institut Confucius c'est l'enseignement, la, diffusion de la langue et de la culture chinoise. C'est sa vocation principale. C'est vraiment euh, le motif euh, pour lequel le gouvernement chinois a investi euh, plus de 1,5 milliard dans la construction de ces beaux bijoux que constitue l'Institut Confucius. Mais par-delà l'enseignement de la culture et de la civilisation chinoise, c'est aussi un outil qui va servir de cadre pour le développement de la recherche dans le domaine des civilisations asiatiques de manière générale. Aujourd'hui, le contexte économique particulier pousse la Chine à venir concurrencer en Afrique, d'où l'implantation de sa culture qu'elle veut universelle. Ça entre dans le cadre des échanges culturels sino-sénégalais euh, en fait, euh, maintenant, euh, chaque année, on fait venir des troupes chinoises au Sénégal pour montrer la culture chinoise aux Sénégalais, parce qu'on pense que la culture les échanges culturels sont très importants pour promouvoir l'amitié sino-sénégalaise. surtout maintenant, l'économie entre la, Chine et le, Sénégal se développe rapidement. pourtant, je pense, je pense que les Sénégalais ne connaissent pas très bien euh, les deux, peuples ne se connaissent pas euh, très bien. Donc euh, c'est pourquoi on pense qu'il faut encourager les échanges culturels. À l'Institut Confucius, on y trouve un centre de documentation et de recherche sur la diversité des cultures asiatiques et particulièrement celle de la Chine. Ababakar Sadir Top, et nous restons avec vous pour parler cette fois-ci de la lutte entre l'État mauritanien et l'ONG IRA Mauritanie euh, qui continue d'alimenter les débats dans les organisations de la société euh, civile et des droits de l'homme. 13 euh, prisonniers du mouvement donc IRA arrêtés depuis le mois de juin ont été transférés sur une île à 1200 km de Nouakchott dans des conditions inhumaines selon le chef de file de IRA Mauritanie. L'esclavage et le racisme sont plus que jamais présents dans le quotidien des Mours noirs mauritaniens. Selon Biramda Abed, c'est le régime arabo-berbère dirigé par Aziz qui est l'instigateur d'un tel forfait. La situation en Mauritanie, autant politique que des droits de l'homme, est extrêmement désastreuse parce qu'il y a des dizaines de prisonniers d'opinion, il y a interdiction de manifester, l'interdiction de rassembler. Plusieurs organisations et partis politiques sont interdits euh, par le pouvoir en place et les partis qui sont déjà euh, dans la légalité sont empêchés de travailler car le pouvoir euh, réprime d'une autre manière la classe politique. Il y a un marasme économique une, crise sociale. À ce jour, 13 militants du mouvement ira mauritanie sont en prison dans une île dénommée Robben Island, à l'image de celle sud-africaine. Ils sont condamnés entre 3 et 15 ans de prison. La situation des 13 membres de IRA en prison est une situation désastreuse car ils ne bénéficient d'aucun droit parmi les droits euh, contenus dans les conventions internationales, euh, dans les normes qui gèrent les prisons et qui sont des normes standards reconnues sur le plan international et que la Mauritanie a ratifié. Ces prisonniers sont coupés de leur famille, coupés de leurs médecins, coupés de leurs avocats, coupés de leurs juges naturels. Ils sont sujets à euh, de la torture, euh, indicible et atroce. Le chef de file de Ira Mauritanie a profité de cette rencontre avec la presse pour condamner ce qu'il appelle le mutisme des décideurs africains. Pour lui, ce silence est inconcevable. Sur ce qui se passe en Mauritanie, j'ai dit que je dénonce cette indignité sélective des Africains face aux apartheid, face aux esclavages, face aux oppressions des personnes d'ascendance africaine je dis qu'il euh, est incompréhensible et il est inacceptable que les Africains se battent contre l'apartheid euh, en Afrique du Sud et se taisent sur ce qui se passe en Mauritanie. Ces 13 membres de l'IRA ont été arrêtés entre fin juin et début juillet pour leur implication présumée dans une manifestation violente. Leur condamnation et condition de détention interpellent toutes les organisations de défense des libertés individuelles et collectives. Voilà donc, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité à la DTV. Très bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. dans le tout premier épisode de Coke Studio Africa 2016. Nous allons dans les coulisses d'une collaboration historique entre Faliipa et Sauti Sol Kenya pendant qu'ils apprennent à se connaître davantage et créer une musique incroyable. Eddie Kenzo d'Ouganda et la magnifique Efia du Ghana créent un tout nouveau morceau à l'aide de téléphones portables. Elle est mégastar Pato Ranking du Nigeria et Vanessa MD de Tanzanie travaillent ensemble avec un nouvel artiste pour créer quelque chose de spécial. Ne manquez pas le premier épisode de Coke Studio Africa. Réplique Group Entertainment